Nous sommes euh, mardi 18 juin 2024. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane. Chères auditrices et auditeurs, c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangou et vous nous écoutez via nos radios partenaires et en streaming sur le www.studiokalangou.org. À la présentation, je suis Ali Moukela alias Seno et à mes côtés ce matin, Habiba Ahmed. L'édition est assurée par Adam Adawaki et à la technique, nous avons ce matin Amina Hassan. Bonjour Abiba. Bonjour nous. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui comme d'habitude, nous débutons cette édition avec le flash d'information, puis s'en suivra euh, la rubrique hebdomadaire santé, le loti du desk femme du studio Kalangu, un reportage à région de la bonne musique nigérienne sans oublier la culture linguistique en Hausa. Dans la partie invitée du jour, nous recevons l'artiste rappeur Eldam Siro pour parler de sa carrière artistique. Nous allons clore cette édition avec les messages de nos auditeurs. Installez-vous confortablement, chers auditeurs, vous êtes assurés de passer un moment inoubliable à notre compagnie. On débute cette émission avec le flash d'information. Il nous est présenté par Rafika Ataher. Bonjour Rafika. Bonjour Seno. Alors pour l'actualité de ce matin, nous allons d'abord parler des trois ressortissants nigériens détenus au Bénin. Ils ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis hier lundi 17 juin 2024. Initialement accusés de fausses attestations et d'usage de fausses, de fausses attestations, leurs charges ont été requalifiées en usurpation de titre et usage de données informatiques falsifiées. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme les a les a condamnés plutôt à 18 mois de prison avec sursis, selon les médias locaux. Elle a également ordonné la restitution de leurs biens saisis, leur permettant ainsi de rentrer chez eux. Le réseau des journalistes pour les droits de l'homme, dans un communiqué de presse en date du samedi 15 juin, a exprimé ses vives préoccupations concernant la récente modification de la loi nigérienne sur la cybercriminalité. Cette déclaration fait suite à l'annonce du ministre de la Justice et des droits de l'homme du 12 juin stipulant que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a signé l'ordonnance numéro 2024-28 modifiant la loi 2019-33 du 3 juillet 2019. Le Bureau national du réseau des journalistes pour les droits de l'homme note que cette modification de loi constitue un net recul pour la liberté de la presse et la liberté d'opinion consacrée par les instruments juridiques internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le RJDH demande la modification de l'ordonnance numéro 2024-28 du 7 juin 2024 pour mieux assurer l'effectivité de la liberté d'expression et d'opinion pour les journalistes tout en respectant la dignité humaine et les exigences de sécurité, le respect de l'éthique et de la déontologie par les professionnels des médias. Et enfin, la journée mondiale de l'enfant africain a été célébrée le 16 juin en souvenir du 16 juin 1976 où des milliers d'élèves sud-africains ont manifesté à Soweto une, pour exiger une éducation de qualité. Des centaines d'enfants ont été tués et blessés par le régime de l'apartheid en place à l'époque. Cette année, la journée est commémorée sous le thème L'éducation pour tous les enfants en Afrique l'heure est venue l'UNICEF a publié de nouvelles analyses sur le financement de l'éducation qui montrent que la plupart des pays africains ne remplissent pas leurs engagements d'allouer 20% de leur budget national à l'éducation, comme le recommande le cadre d'action pour les objectifs de développement durable pour l'éducation et qu'environ 183 milliards de dollars américains sont nécessaires chaque année pour l'éducation des enfants dans les pays africains afin d'atteindre les objectifs de développement durable en matière d'éducation pour rappel, le continent africain comptera un milliard d'enfants d'ici 2050 et aujourd'hui plus de 100 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire et secondaire ne sont pas scolarisés. Et voilà pour le flash d'information de ce mardi. Merci Rafika, à bientôt. Comme annoncé tantôt, nous recevons aujourd'hui comme invité Eldam Sero. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous avoir honorés de votre présence dans notre émission. merci beaucoup. Eldam Siro est artiste rappeur, l'un des meilleurs de sa génération. Avec lui, nos échanges porteront sur sa carrière musicale. Oui, Habiba, mais avant de lui donner la parole, à tout seigneur, tout honneur, écoutons d'abord l'un de ses titres. Voici Poulo Debo. C'est parti. anani pullo anani yom anani pullo anani yom anani debo anani yom anani debo anani yom pullo ai pullo dai pullo de bana vene ka bana vene ka ne ni de mai ne mai ni me nai ni me nai lo na gene ka elam se salmini dom walini dom yalini dom Minyale me need on Anani pull on Anani on Anani pull on Anani on Anani de bo Anani on Anani de bo Anani on Anani pull on Bikima Ani Bikam Bikima Abazali Gam Anani pull on Salmini Anani pull on Anani on Airi da de bo da medo Asejani wallahi moino Amoino kangido Allah Ajijan lukur ko dinala Awata yiki yaka yiki yaka da ne yo tetai Bullo de bo p daram l i n i l i d i m l i an y pull, a n l a n san m i n l ton Apa no ta k l kan Omi o l a t a kam o la l ta k l m o l a n a t l kan jar l a n uro l ma pullo ai ai pullo dai Pullo dai Pullo dai pullo dai pullo u l l a n a ne kan don Sali me ni don Wali ni don Minyali ni don Minyali me ni don Anani bullo anani nom Anani bullo anani nom Anani debo anani nom Anani debo anani nom Anani pullo, yidima an yidikam yidima abbasalikam Anani pullum salmini don Dami don jam pulu pulu non dai Pula seni pulloi Bira seni pulloi Yabana seni pulloi Boy seni pulloi Isagini dina yi gansak mani non nondai Moni ba ni gansak mani nondai Sakina buga nanganan na Fadima dai Fadima Fadima ye Fadima dai Fadima Abba na di kam dai Owi oki maka Fulodai fulode ba na vene kan need them. And I need pull and I need on, and I need pull and I need on, and I need a boy, and I need on, and I need a boy, and I need on, and I need pull on, Nicky ma, and Nicky come, Nicky ma, Abasali come, and I need pull and I need pull and I need on, and I need pull and I need on, and I need pull and I need on, and I need a boy, and I need and I need a boy, and I need and I need and I need and I need and I need and I need a boy, and I need and I need a boy, and I need Voilà, c'était là les titres pour le debout de l'artiste Eldam Sero qui est avec nous dans ce studio. Rebonjour Eldam Sero. Oui, bonjour, vous allez bien. Nous venons d'écouter ensemble avec vous l'un de vos titres. Parlez-nous un peu de ces titres. Qu'est-ce qui vous a inspiré à produire ces titres Voilà, donc euh, pour le debout, et Aïdi c'est Kinefunu, raison pour laquelle NT. Hmm. Parce que wondiyono e goronɗa kan indago zalay kulu to ko ca indago bacere Babu siba inda zala quoi ah. donc tu vois ok to babu siba inda, inda zala ko mu déjà mante borno kangol liberté kala day sonka école comme inda kol cour fondirgo école ka école lalle mu babu mu borno kan <laughs> kala sura ak zalay <laughs> nanga waɗi nduma to a te lokaci e gonde cor fo kango ɗum station ay tar kowaɗo ko fakare to ko jour fo ay gon to am bay e eh, zanka fo gon kanga neranodi nangati to ko chamu ay cousine no ay cousine direct to wisa ngamu ko ciyani naga ba halas bay ay kangagadi to to jour fo tawi ko station ko ay fatta ay ka hmm. ay sabanda mota go gareno ɗin to ko chamu déjà ay nago bato im kaga sambo im kana fuye ti ka saban dago furu bag jine dan i albura mota ra inkoi kule to kule ne fu kula gona ifana ifana kula na se hey ngo ngo cousin no hmm. ana cousin dire tene o nanu kanu bon sinji mais nay kari mo ene muta gare ay ko cha sambu no ka ko ke aidra kono asuba ay mu chino ne to ne mi yegi no ay mu halmatno ay kay salam windora ay gar ay furu afatta aman salngaisi amanen sekul amanna ikul inga da ka ko chane si aka sabi dini nga bala bala avam mu zai ka kula gani ifune kagati oh. amu to isi to songu udi magasi na inti haya to eldam sero irma histoire o kanna nin titre poule des beautés voilà c'est une histoire euh, qui <coughs> émane d'une relation amoureuse entre ta petite amie que tu as que vous avez rencontré <laughs> excusez-moi je vous ai tutoyé donc que vous avez rencontré et du coup les parents plus précisément le papa ne voulait pas de cette relation Bien sûr. et Dieu faisant les choses, le papa aussi, il est tombé amoureux, euh, euh, voilà, euh, de vos cousines. <laughs> Et par la suite, euh, les choses se sont réglées. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, comment avez-vous découvert votre passion pour la musique et en particulier pour le rap Comment Comment euh, avez-vous découvert votre passion pour la musique et en particulier pour le rap maintenant arna maintenant aran tege furo doni il faut non un fur doni bien compris voilà wallahi dono haya kanne dangara to ne bay e doni za za zaygoti zaygoti so hmm. en ngano doni kanisi to il kote ay e goti 6e ay kay egoti 6e 5e 4e no to ay sintinga baragina bay

donc agosal gane si no dunu manti fala no dunu mantaki no peti dunu kan no et puis donc est ce qu'il ana sa im dinga se kenafo déjà mo na no ga gaaw ay kan ngi di artiste ko wa de kan yi boren no kan din sal yi sem ngini wi quoi donc tu vois don ko donc hambourg ko mun mo nga salan adira ana se din ko dayin tuje wat ku dayin ci amane se hay dunu ka din no sammil ka din ni manti fala no ni singi ni ay no okay kal jour fe gun ego tele kalama ini barakina fere studio de ay dun numero en samu ayke darinu no samba izi mm. ayna seɓe ma arrestre sinu anes okke probléme sino anes e genka juuɗo ay sola cinora e songo hantum comme déjà indebu ay e koy gonde ay ga songe hantum papira aymi e koydu singom deyne kama halatar aymi nago miroga nem papier kole miroga kolaga aymi da écouteur to application fo gon kexoge utiliser. kala dia sintin kay aymi oh. to nem ko studio ay koy bana après za mota igoge tourisgane c'est ay samingaysa kenan ay mahay gogayda igo artiste <laughs> après sintin samine sa no le petit là vraiment il est bon mm. hal son kulne sintine o ina ok donc ay artiste son fou en même temps clip mm. Donc son fou lonka été concert Et eh, de son fou lonka été concert no toro été guichet fermé de de son fou oui oui single folon. oui nga mo sinne parce que avant ils donnent fulan sinne quoi mm. zaram sinne go donu donc a été chef fermé noro kan da yekku ga samugo no ni yegite ihinka yegite ayo titre fo foko ni titre ihinka nati ikul muzara musenda hausenno mm. yegite mm. fulanseni alors el damsero pourquoi avez-vous choisi de rapper en fulfulde exactement oui oui bon raison pour laquelle je choisis de rapper à ma langue fulfulde et yera janu man yedda im continue da anesi halayge donu chino wanar ifo senesti e fulanseni ay munasi hey fulanseni no boron don fulanseni ina di niger zankan ayo lay don fulanseni boray haro anesi mi essayer ane burkina na bar mudon Ragabisa na raga ay kul ay mo comme e ay raja sini ay makaka ko ay to dem hmm. ici après ay sambu titre e exemple e ko oh déjà ka samani sinting dun pullo de mo kan oh, jour e kaga ko tia sambu ginda fu da go ke ni kul en exemple sambiwo hmm. ngano ko ay songo dan de ay ay go donc Zab artiste ke en kabura kulsu big valider. zano ne sin tingi <laughs> ai Il kan wala bi kai ga arrivé Et te son follow Et dison sin tingi ci Ghana Burkina Mangai, no donc ai dison kai donc kai goro raison pour laquelle Haïra Sanno Techimi yaringa to l'impact euh, comment est-ce que euh, cette langue hein, Peul que vous utilisez hein, hmm, dans votre rap comment cela impacte votre carrière musicale matno son kuna fulan sanode ni ngno ni musico iga bara gumo wala matno wote oui oui ingno parce que kagi donu zarm senni toro di hinna no gebe toro di hinno ay tema ngamo ay celera mm. donc ni mais fulan senno kangen sintin ay ay won premier song ay toga tan 10 heures ranen tan 11 heures ay ka nyame ka saban investé bora igo fure saban songo ni go kar mm. donc ay makani et puis yege ci gan son fulon kanoges ini ci gana ay koy gana festival fulange festival do songo ay day kar aban inga ni gege repete ay na gano kan ti sur iye sur iye sur iye deja go wani gani e pego gano ki bangi mu imam bege di wadi nduma <laughs> fulange zakan gano ay na gano kan ti sur iye kale cewe singa dir ine ta im zumu amma fulange zo haukuri andi ga baida wala donc di wala donc ay fulan sen dino vraiment hmm. ngano ne nu e borai ngano nan borai ne bay nan kul Et quel message cherchez-vous à transmettre à travers vos chansons À travers mes chansons mm -hmm. wallahi son eh, Aïkan aikin aïkan message que gino Déjà, bore ifuni ni kayengoga, kayen go ga bore go suivre mbe zanke bore go no ibana kayen bangem don fulan sanni mm. kayen bangem te fulan sanni Tout, iswanu fulan sanno me comme igodi déjà. irimo irgo irgo du ken ken fulan sinno irgo kana demande fulan sinno burati kulu magar nisinga nisinga nisinga arrivé mm. alors que mon kon dunyar bur kudin gon sayano donc ndi borsi borsi harite ni man dan tanke ni ni hmm. ya, cermi dan kul asti donc ay wati kul ay message ko ngi dina ay donora ay ga investir arano ay mdugudu hay kul kan ngote dini ni cermi dan ara asti donc danno ni mdugudu Il n'y a pas de souci. Merci El Damsero. Euh, dans cette première partie de nos échanges, on a retenu que vous avez débuté la musique euh, en vous inspirant de Barakina, qui est l'un des artistes euh, rappeurs qui fait de la musique urbaine ici au Niger. Et par la suite également, vous avez choisi d'évoluer dans le style rap en utilisant la langue Fulfulde parce que c'est votre langue maternelle que vous avez choisi euh, de produire euh, tout ce qui est chanson, hein, n'est-ce pas, dans votre style hip-hop. On a retenu également que euh, vous aimeriez à ce que les enfants qui vont par la suite vouloir emprunter votre pas puissent aussi s'adonner dans la musique en fonction de la langue qu'ils maîtrisent, pas forcément mm-hmm. la langue que voilà quelqu'un va leur imposer. Il n'y a pas de souci. Avant de continuer, marquons une pause musicale avec ce morceau, l'un de vos titres, bien évidemment. C'est une collaboration avec euh, l'artiste Dari. C'est parti avec le titre Suka Gorko. dalejo o yije daneje yimɓe ɓomɓe tefi halkude inde ɓe kaali ka bonka ɓe acci ka lobba ko allah yaari ɗo ka hunduko wawta kokkal allah du ko hawta e goɗɗum se ɓe kollire kamɓe dawnan non takkaɗe meɗen le tondu e bo junon coycoy ɓeɗe gata kolli ɓeɗe ƴatta kolli ɓeɗe morma guide ɗe bo junon coycoy kam mbiye ni non ala bacce ni non jaada lobbal wona jiɗo maɗa kan woni gaɗa maɗa meppullo ganga kaleneɓe gonga Umenangene sugor kunni doti ajamwali damsero mini damsero obi pullo aha mi obi pullo ai pullo mi jam pullo ai pullo mo jo inna aha là les titres Saka Gorko chantés par notre invité du jour Eldam Sero en collaboration avec Dari. Alors Eldam Sero, parlez-nous un peu de cette collaboration avec l'artiste Dari. C'est le premier artiste avec qui vous avez eu à collaborer. Voilà, et Dari est un artiste Gina qui a collaboré. Et raison pour laquelle, parce que avant, je sais pas borai na ci da ai se matkan borai na ci da ai se ai wo di wodi bon ba bor fogo de wo parce que kinda sintin goy nanga agoge ce bor et puis musique ora ai wo manti borno kanga musique ko geme bay ni bana fo ni nga barande say ni tay kul min simi to hay kul kanga ina ha ngano ci e ci et puis zai go fondo tan aga ina fondo donc ay moy décider kan boraw donc dayna ha asisin ngane ci a ah, ah. donc bora kai bisa ga bamu ga bisa bora inga ingano ai ha a wonji donc ay na ha ane sa problem sino aninga mota sambu ai ta studio kan rai ga aka ga garno hmm. yari nga ni cece ni mte featuring da borfoyan oui oui ay o premier bora kai sintinga ha featuring site barakina hmm. ai na ha featuring aina si il faut condition parce que hari wodai bara dai gondai noro kul ayo dinne sem bana ga bana donc na ha ane c'est bon ay kul no sino mais so ay irin irin wannan dai kwani bai bunin gon kan ban saman kul su so vire vire to yani yani den kan son kai fulanzam ina ka bai ga hantum busira pandoro au bin fulanzam ai hanon kan yudu abinda da kan yana ha sur place no irko irin sun wa hantum ai salan kan burgati ani se problem sino ani an ga mota san maka ga studio irin sun wote irin na clipe hmm. to tirse songo irgbarum bai Eh, est ce que aranga ba aramte collaboration d'artistes sanga niger wone walmo artisien est ce que artisien gono kan sont aranga ba niger oh. niger zama e, sambu bro bro, bro gon se problème sino abel zamani hmm. ani se problème sino wat donc E, kombir ko tamadu ina ha amanti donc da soga soga mai bim tida soga oui oui donc mamar ka sai mu deja ina ha ne problem sino ngam ruga sola irmati inda tu vois yari nga hay bobu no arngo sola oui oui oui oui donc taray mu dikko fis lobbo dikko da wono kango sénégal wo dongo daraji ngi no jina pour le moment ngi no ko si programme ra Comment voyez-vous la scène musicale rap au Niger Quels sont selon vous ses plus grands défis et opportunités Wallahi tout. Ayo quand ai di bon du fait kan il dit que kati kan ayo ici aisi gabu manti certes musique ko gudu ngai fonte o irko de no asaya parce que ici en antum donne aim koy Quand des débats. mais problème ngati ici haribo be musique quoi. idiola donc kunu nim du barkan gi hinga cebe ni se bor follon follon no e bor singa bor fo bor fo bangwa wakir koy wakan ir koy nini gwa inga dinon nga de timba to wodno bore mo sigi fam on kum bor bugo gonu kan dinni ha ko ni bora so si si sa bangin cebe bora ga dikan dinga cebe ni se kulma ga bisinga alor ke wodi bora dinni bisinga kul wakan ir koy ba sedi inga dino kadan wallahi woni wana din bisaga donc ay wondi ay probleme kan ay gudu yena mais sinon wallahi musique ko ewo alhamdullilah alhamdulillah cert ay sefo be aramat kigene no no ko geturu fi ci no ko facebook ko gay fon ci youtube mm ay wa travel ay woni invitation yara igin alhamdulillah boren kanga bi be boren gono kayen ay gene hon ko nega bisay allah donc ne me igin alhamdulillah mm. voilà to eldam sero son nim tirse sanga projet hmm? et quels sont vos projets à venir Avez-vous de nouveaux albums ou des collaborations à préparation Est-ce que Arngbaram album Tadika Tare wala déjà ni tire c'est quand Arngbaram nimte featuring des néo artistes hein nin hmm. soga yanci nin denke denke yanci nin abel zaman yanci su dikko bo regba son Irgbaram beino sanga est-ce que album gono karngo sola wala eh, événement bambato gono karngo sola ou tout son album bu kan mun album bu deja abati wa ban deja wi album bu ay ban zagayen ni ma imalan se ay ma vernissage te mi problem kini fu no idu album bura zama aina son jere te mali son jere ni ni te to son jere kan ti ne wodi hal mali no ni ko son foyante wi ne be ko ay ko mali di oh. donc ti en même temps kaki kanew ay ga envoyer référent ti ma bitte karno ni mi ngi wan bitte kare quoi im bitte kare sinodin imi samba imi prise de voix teni aimi projet sambono din dobora bana ima noro sambasi mm. donc jere mo aini tenewo to kan ai studio hin kano afara nu a audio a restaurer donc son taki no ay perdre son taki wala hal hal i gumbo no mm. perdre donc aini perdre son titre da hay kan e hantumo kul papier jere ku dare son il faut que aimi reprendre donc son ene reprendre son akindi son hinka ngi afa nega arrestre hun kuna fa kadi suba son album bo deja ngano a vernissage ne bemte e gonda concert kay e goti inshallah dir ko ndir tora de bani concert no, oui. no concert concert le 13 juillet le 13 juillet no université terrain gazon hmm. no ne gati e album bo e vernissage no mm. en ar ngi ngi tirse album bo mayo wala album bo mayo mi yetti allah mi yetti allah eh oui, oui. woni a fulan sanino oui mi yetti allah ça veut dire Dieu merci en ir ko sabu Ok. Une dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes artistes qui aspirent à suivre une carrière similaire à la vôtre To wallahi son ayo conseil ko ginginu. E bore kay ngugu si ko et ma ngi ma furu gemora. To igane bore sinda hina Mais, me haifu mugunu. Din siba repetition zama boro zanke zanke ngo na kanya aigo chichi ai mi dange wara me dai ni sai mka kakul istar kag repete et puis har mu musique akba repetition akba wat kul am saban nigti repete densité repetition cité ni sine watkul kal boro fom hantum am non sene ko karam kul kalim hantum non sene ni sene ti star boro fom donc nigi essayer no nim nim karne bon nim de buri nim ka wo kan tedin daman te im hansin se me nigi in kaga nim na ayo bem do no zare frengo za couple hay kulim ne im hantum simte cité.

Voilà, c'était masde basé burku burku singa problem imani hangan irse maradi niger no hangan studio kalangu irgin merci infiniment d'avoir répondu présent à notre invitation mais aussi d'avoir répondu à nos questions excellente journée à vous et bon vent dans votre carrière musicale. À la prochaine. Voilà. Merci. Habiba, on prend une petite pause et on revient juste après. Ok, Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est le moment pour nous d'attaquer notre rubrique hebdo. nous sommes mardi, nous allons parler santé, n'est-ce pas c'est non Exactement Habiba, et la rubrique santé de ce mardi nous parle de la cardiomyopathie, hein, du péripatium, du péripartium, hmm, voilà. <laughs> Ça c'est des termes purement euh, médicaux, <laughs> qui est une insuffisance cardiaque euh, qui euh, survient à la fin de la grossesse ou juste après l'accouchement. Elle se caractérise par des signes similaires à ceux de la grossesse. La cardiomyopathie fait partie des facteurs de risque de l'AVC chez les femmes selon les spécialistes en cardiologie. Qu'est-ce que la cardiomyopathie Quels sont ses symptômes Comment se fait la prise en charge Docteur Ousmane Ibrahim, cardiologue à l'hôpital des Inter, explique au micro des Bukar. C'est une euh, cardiopathie, un type d'incidence cardiaque qui survient chez les jeunes femmes, les femmes en âge de procréer, et un mois avant l'accouchement ou jusqu'à cinq mois après l'accouchement. Et c'est des cardiopathies qui n'ont pas de cause, c'est-à-dire elle a l'insuffisance cardiaque, on fait des investigations pour voir, on ne trouve aucune cause. Alors docteur, comment s'est manifestée cette maladie Elle peut se manifester soit pendant que la femme est enceinte, ou bien elle peut se manifester après l'accouchement. Pendant qu'elle est enceinte, c'est difficile parfois de comprendre que c'est la cardiopathie puisque les principaux signes qu'elle a, ce sont des signes qui sont confondus à ceux de la grossesse. C'est l'essoufflement, c'est les et les femmes enceintes, euh, beaucoup enfants, sans qu'elles ne soient malades. Mais le plus souvent, le diagnostic s'est fait après l'accouchement. Et quelques jours après l'accouchement, on va remarquer qu'elle elle est essoufflée. Elle ne peut même pas prendre son bébé. Ou bien on va remarquer que ses jambes sont en train de gonfler. On va remarquer qu'elle n'arrive pas à se coucher, dès qu'elle se couche, elle tousse. Et on va remarquer le ventre qui est en train de grossir. Normalement, <laughs> après l'accouchement, le ventre doit diminuer de taille, comme si c'est une autre grossesse, alors que c'est des édames. Euh, docteur, quelles sont les causes de cette maladie C'est une maladie qui n'a pas de cause identifiée, mais plutôt des facteurs associés. Quand ils sont là, ils accélèrent ou bien ils multiplient les risques de survenir de cette euh, cardiopathie-là. Et entre autres facteurs, c'est la multiparité. C'est une femme qui a plusieurs accouchements à son actif et qui les fait de façon rapprochée Un autre facteur, c'est la précarité. Un niveau de vie faible. Des femmes qui ne mangent pas bien à leur faim, les femmes qui vont continuer à faire des travaux physiques bien qu'elles sont enceintes. C'est les désordres hypertensifs pendant la grossesse qu'on appelle la prééclampsie. Autre chose, c'est l'anémie. Les femmes qui font beaucoup d'infections pendant qu'elles sont enceintes. Alors docteur, comment s'est fait la prise en charge C'est une prise en charge multidisciplinaire qui concerne d'abord les cardiologues et puis les gynécologues, la sage-femme. Premier de cette prise en charge, c'est que ces femmes-là doivent être vues à l'hôpital précocement, pendant qu'elles développent les signes. C'est une maladie, j'ai dit, qui peut être guérie. Mais plus elle dure chez la personne, plus les risques qu'elle ne soit pas curable, qu'elle continue à être chronique, augmente. Il y a les régimes. La femme doit accepter de manger moins salé. La première complication qu'elle peut entraîner chez la femme, c'est qu'elle va faire en sorte que la femme soit toujours en insuffisance cardiaque. La deuxième complication, c'est les AVC. Les accidents vasculaires cérébraux peut être la première cause des AVC chez les jeunes femmes. C'était là la rubrique hebdomadaire santé. Prenons encore une autre pause musicale avec ce titre chanson ici. de l'artiste Yazongo qui n'est plus de ce monde, paix à son âme. Amen. Après cette pause musicale, place à présent à l'écho des régions. Oui, Habiba, le reportage en région de ce jour nous amène à Tawa pour parler de la prise de conscience des populations de Birnikoni par rapport à l'utilisation du charbon pour la grillade des moutons pendant la fête de Tabaski. Cette action entre dans le cadre de la lutte contre la coupe abusive du bois. Selon notre correspondant Asuman Moussa Arzika, plusieurs personnes ont utilisé le charbon pour la grillade cette année. Écoutons son reportage. Kai ƙarshen yawan sare-saren itatuwa shine manuwar ma'aikatar gandun daji da ke nan garin birnin Kwanni Shi shine yasa wannan ma'aikatar ta yi zagaye domin musamman wayar ma al'umma kai dangance da amfani da gawai domin gudanar da musamman gashin taruna albarkacin sallalaya abinda sa a wannan shekarar mahi yawancin al'umma na gundumar birnin Kwanni suka yi amfani da gawai domin gashin rashin na kamar yadda sa kushi ta bakin waɗansu magidanta da na hiranta da su. Tun can fil asal an yi sabo da gashi da itace to san al'amarin lokaci yau komi da canji yau an tsa an diba gawai na ɗai akwai ikonomi ga rashin kwarai misali an ɗauki buhu guda buhu guda zai iya gasa maka rago uku amma yanzu in itace ka sai to zalika wajen jika goma nan sai ka kashe su na itace kuma alhali ko an ɗauki eh, buhun gawai guda ɗari biyar aka samu ne to kuma ka gani to kuma ɓangaren wannan kariya ga daji yau in ana cewa ko gashi za a yi da itace kaga an koma bangaren daji za a kashe itace da yawa in an komo ga gawai ka gani za a yi ceton daji alilin nan zaka samu waɗanda za su aiki da itace kuma masu aiki da itacen nan kamar masu yankan manyan besashe na kamar cewa da sa kowa ya gane da yanzu an koma ga harkar sharbon in nan bisa dai harkar hamada nan ne da mutanen ganin daji suke yaƙi shi yasa mun bar aiki da itace mun koma aiki da sharban ka lura wajen gashi wani biyu yana kai dare to yanzu insha Allah in mun aza kakin karhe uku karhe hudu mun kare insha Allah eh to shi dai ne bambancin shi da ita ta bakin shugaba rundunar soja ta gandun dashi mala habu sumaila ya kara kira ne ga musamman al'umma na gundumar birnin kwani domin su kiyaye yawan sare-saren itatuwa da an ce sallar kowa ya san da sai an yi unhwani da ita shi kuma unhwani da ita akwai tsararraka da yawa da aka kibi da ya kamata a yi unhwani da su don a ci moriyar itin nan ba tare da an yi banna ba ina kira musamman ga masu garuruwa su zanki shela lokaci zuwa lokaci suna gargaɗin mutane su bar wannan aiki na asha da suke yi an babu itace to rayuwa ha ba ta yiwuwa da daɗi kai ba abin da ka yiwuwa da daɗi kenan ya kamata mutane su lura su gani abubuwan nan kashe-kashen itacen nan ba yi Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. On attaque la page sport, n'est-ce pas, Biba Oui, c'est nous. Et ce sera avec notre chroniqueur du jour, Guruza Hasumi, qui est déjà avec nous dans ce studio. Ah oui, celui-là. Et la fatigue Oui, ça va. bonjour. Hier, on a bien fêté. Hein. La fête, ça s'est très bien ah, passé. bien, bien. Alors, nous avons quoi pour euh, cette page sport d'aujourd'hui eh Oui, euh, sinon, nous allons parler également de Gaïa. Euh, Gaïa, comme vous le savez, c'est une équipe nationale du Dandy a, été maintenu à la Ligue nationale. L'équipe de Dandé a fait un parcours d'ailleurs exceptionnel dans ce championnat qui a regroupé les équipes des différentes régions du Niger. Le national de dandy maintient sa place dans ce championnat de la Ligue nationale. Un des responsables de ce club s'est confié à Fadel Alou. Écoutons-le. une saison été, pour ga bai matkan balgoda match E e match irkar kar domicile doso iri kar e koni à l'extérieur quartindera parce que ina match iye ganye et match nul taki iri perdre mace match iye donc ya wani saison banen dinda an kan ir maintenir na ligue nationale mais pour kul gabe kan palo da si supporter do man charno kan ga fala zan ka ba kulu ga yezen guro kirba bas hano iro haran kir ligue national din ir guro kaci ir mu kan ligue national zama ligue national championnat no kanga gabu zama daga bai mu cimbo aikin ka dai ka gamu da ba super league in kan ci niger competition bureau da dai championnat ba ka tun irgice ci ka tonto ekipo mu gabu Gourouza, le Niger a participé au championnat d'Afrique de Sambo au Caire en Égypte. Oui, euh, Abiba, euh, six combattants euh, ont été représentés, par le pays et le Niger a eu à décroché six médailles malgré le peu de moyens. Plus de 20 équipes ont participé à ce rendez-vous et l'équipe du Niger est classée 12e. Le président de la Fédération nigérienne de Sambo, Maître Alzoma, s'est dissatisfait. À la suite de cette compétition, nous avons eu deux médailles de bronze en sambo sportif dames à moins de 98 kg, sambo combat et une ensemble sportif à moins de 111 kilos. Adam Alidou a combattu Sambo combat, donc il a eu une médaille de bronze. Mokhtara Brema, il a eu une médaille de bronze aussi à moins de 111 kilos. En Big Sambo, nous avons eu deux médailles d'or, Soumana Amadou et Mokhtara Brema. Anna Idi Adam qui a combattu en Elle a eu une médaille d'argent. Bouba Sadou, il a eu une médaille de bronze. Nous voulons que le ministère des Sports nous accorde plus de moyens, parce qu'avec euh, plus de moyens, nous allons certainement avoir un bon classement. Alors Gourouza, le football nigérien est en deuil avec la disparition de Luceni Doumbia Issa. Ah oui, c'est nos gardien de but en 2010 de l'équipe nationale du Niger. Il avait défendu les couleurs nigériennes en 2011 lors de la première qualification du Niger au Chan le seul club euh, dans euh, lequel il a joué au Niger était l'AS Après, il s'était envolé à Kinshasa pour Daring Club Motema Pembe. Âgé de 32 ans, Luceni Doumbia est décédé le 11 juin 2024 à Abidjan de suite d'une courte maladie. La Foot et les dirigeants de l'AS ont salué d'ailleurs la mémoire du disparu, que son âme repose en paix. Voilà pour le sport. Merci infiniment, Gourouza, pour euh, cette page sport. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Alors, Abiba, on poursuit avec euh, le portrait du jour, n'est-ce pas Oui. Qui est la star <laughs> Le portrait de ce mardi 18 juin nous amène à la découverte de Boubacar Moussa, président du collectif des associations pastorales du Niger Capan. Oui, créé en 2020, le Capan est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour le développement communautaire, l'autonomisation des femmes et des jeunes. Boubacar Moussa a interrogé ses, collègues intégrer ces collectifs en 2023. Notre reporter euh, Omar Hama est allé à sa rencontre. Voici son portrait. Assis dans son bureau, Boubacar Moussa est un jeune responsable d'un collectif d'associations pastorales du Niger, un domaine qu'il maîtrise depuis qu'il était au collège. Après ses études universitaires, il a eu à travailler dans plusieurs associations nationales et internationales. Boubacar explique son expérience et les postes occupés dans la vie associative. En tant que jeune, encore plus jeune, j'ai déjà travaillé pour les associations. J'étais secrétaire permanent pour un groupement des organisations de coopératives au niveau de Tawa département. J'étais SGA d'une association membre. J'étais même le secrétaire général du collectif des associations pastorales pour la région de Tawa. Donc, euh, vous comprenez, j'ai même commencé donc mes premières expériences de la vie associative dans tout ça là. Donc, naturellement, les germes y étaient déjà. Avec toutes ces expériences-là acquises, donc je me suis dit, c'est mieux de mettre ça à la disposition de la communauté et les verts de façon globale. Boubacar a rencontré des difficultés majeures pour faire passer des messages à certains élèves communautaires qui n'ont pas fréquenté l'école. Les difficultés, c'est surtout souvent la compréhension des éleveurs communautaires, souvent qui n'ont pas été à l'école, il y a un certain nombre de choses ou la façon de les faire que les autres peuvent un peu ignorer. Il faut beaucoup expliquer. On s'adapte. Moi, je suis déjà quelqu'un qui avait travaillé en tant que médiateur. Après un an de collaboration, Mafoua Wadine, le chargé de communication du collectif, apprécie le travail du jeune responsable qu'il qualifie d'homme exemplaire. On a juste un an de travail avec euh, l'équipe dirigée par euh, Al-Haji Aboubakar Moussa qui a une expérience euh, très avancée dans les domaines du développement rural, de gestion des projets. Il a évolué dans plusieurs organismes internationaux. Il a voyagé partout. Il a des relations. Il a un cahier très chargé. C'est un homme exemplaire, dynamique. C'est un homme qui euh, a un avenir avancé. Fort de son expérience dans le domaine du développement rural, l'objectif de Elhaji Aboubacar Moussa est de redynamiser le Capan. ce collectif qui a connu une croissance significative depuis sa création, passant de 8 à 94 associations qui lui font confiance. C'était le portrait de Boubacar Moussa réalisé par Omar Hamma. C'est nous bouclons notre playlist musicale avec l'orchestre Tal National. C'est parti avec les titres Claire Dame. cher chers amis, auditeur fidèles auditeurs et auditrices, c'était là le titre clair de l'orchestre Tal National. Habiba, c'est quoi le loti du jour La cuisine doit être dans une maison, l'une des pièces la plus propre, car tout ce qui sort va dans la bouche. Vous l'avez compris, chers auditeurs, le loti d'aujourd'hui met l'accent sur la propriété, l'hygiène dans la cuisine. On écoute Rakia Arimi et Mariam Adé. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji Alhamdulillah, mm. gaskiya tuwon ki ya daɗi. Ha, haka kika iya tuwo? ita sai aka ce girki ne ai babu kamata ko kuma ya banta shi ba ko kaɗan <laughs> wannan ai na wa'anda ba na gagaye ne kumya hmm. to tsayawan wanke hannu na mu dawo mu ci gaba da hira aikin sa hanya ika ma gidanki kike hmm. yi subhanallahi me nake gani gambi gambi menene mi aka yi wallahi kin bani tsoro menene me wannan kicin kin naki ban gane ba Nyanyanyanyanya, biki gane ban gane ba. Me nake gani a gabana haka? Ke, a ke me kike gani? Hmm. Ba komai. Wai ke kina da hankali ma? Ba ki ganin yanayin da kicin kinki yake ciki? Duba wannan saltan da Allah. Ai, saboda yanzu na gama girki ko bayan su muka ci abinci ba ko ɗan kwana muka tashi muka huta ba. Mm, mm, mm, duba yanda salte suka yi yawa cikin wannan kicin naki ba kya ce mini ba dai na dahuwar yau ne. Hey, duba kwanoninki. duba farantin nan ke yadda suka taru kuma suke da salte kamar dai an yi shekara dubu ba a yi wanke-wanke ba a gidan nan wai wai wai wai ke jama da Allah da annabi ki shaha min lahiya baki nan gani da bani da kowa da zai taimaka mini tsakanin aiki kula da yara da gida gaskiya bani da lokacin gyaran kicin gaskiya wallahi kina bani mamaki baki da lokaci ai dai kuma gidanki ne ko ya kamata a ce shi ma wurin nan ya kamata a kula da shi kamar yadda kike kula da ko ina kuma wurin ga shi ne ma ya kamata na farko da ya kamata ya yi tsafta tunda daga nan ne in abu ya hita sai baki ha bai hankalinki bai tashi ma saboda lafiyar iyalinki rashin wanke kwanoni zai shafi rashin lahiyar gidana dokan halayyar rashin tsabta da kuma rashin kula da lafiyar mutane yana iya kawo miki yaɗuwar cututtukan da za ta laƙe ga abinci kuma daga baya ya kawo miki wani illa a cikin lafiyarki. Ah, da gaske kike? Eh mana. To yaya zan yi in, kiyaye tsafta cikin kicin ina kuma? Kin san ana ganin mafi girman yaduwar cututtuka a ɗanyen wurare ne. Misali sosan wanke-wanke, kyalle, magudanar ruwa da famfo da kwanoni masu salte. Fara da zubar da tarkacen nan da ragowar abinci yadda ya kamata. kuma ku wanke kwanoninku nan da nan shine mafi mahimmanci shafe wurin dafuwarku da sabuli da ruwa goge teburin da kike yanke kayan miya tsaftace duk wani wuri da suka hada da kofofin firji fur kiziniyar da dai sauran kayan aiki ke kar a ajiye shara a wuraren da ake dafa abinci kamar wannan cikakken kwandon shara da ke bani takaici kamar in kece ki da mari kuma kina iya ajiye shi can gaba kuma a rufe shi da kyau don gujewa jawo kwari. zaɓi samfurin da ya dace don tsaftacewa ko maganin da ake ce ma odijavel don kashe ƙwayoyin cuta amma a mafi yawan lokuta sabulu da ruwa ma kawai ya wadatar wai wai wai wanga abu duka kin ga gambi ki kula da lafiyarki da kuma ta iyalinki kuma ki san da cewa lafiya jari ce shikenan to zan gani in zan iyawa gaskiya wallahi ni na gaji Gambi na bani takaici in an ganki ga kinan tsaf tsab tsaf a waje amma kicin kinki takaici. Mm, Allah abun takaicen kuma. Ya ma wuce nan. Hmm, to ina sauraron ki. Me ya sauran shawarin da zaki bani don in kiyaye wata dauɗa da wasu ƙwari cikin kicin ina. Kinga, za ki iya ajiye kayan aiki da kayan da ake amfani da su wajen tsaftacewa a kusa da inda za a yi amfani da su. A rika tsaftace kayan abinci akai-akai a wuraren da ake ajiye busassun abinci kamar su taliya, shinkafa, gwangwanayen abinci da hatsi da dai sauransu don hana taruwar ƙwari da dai sauran cututtuka. A zub da sharar gida kai-akai kuma da kyau. halayya ce da wallahi barinta yana da wuya kuma tunda ina zauwa wata ran daga wurin aiki cikin gajiya sai kawai in manta da lokaci nan da nan dare yayi bani maganin lahina cikin duk wannan abubuwa wallahi a gaskiya ba abu bane mai sauki akasin haka aiki ne mai yawa amma ana iya amfani da bicarbonate farin vinegar ko kuma lemun tsami a gauraya shi da ruwan dumi-dumi kaɗan da gishiri don wanke maiko-maikon da ke cikin kicin kinki shi kenan wannan in kika yi shi kin ga ba ƙyoya ba wani cewa ka gashi. to abin ta bakin ki da sauƙin yi amma dai na san da dowa da an yi sai na kama jikina sai na sa kuzari saboda tana yiwa a ce kullum da an kaga cin abinci zan yin shi kawai ya kamata dai in dai saba ne. Mhm. ko kefa kin ga a hakan kwalisa ki heta cika <laughs> gaskiya ko jama na gode insha Allah zan kula da kicin ina da duk abin da ya saura da ya hiye mikin ba haka ba mijin ke ka miki kishi ni da na san hakan za a yi gida ke bude baki sai san kishi Voilà, chers auditeurs, c'était là le loti du jour offert par euh, Rakia Arimi et Samira Rouafi du desk femme du studio Kalangu. Passons à présent à la rubrique culture linguistique en Hausa. Ce sera avec Maman Ada, journaliste traducteur à langue Hausa au studio Kalangu. Bonjour Ada. Bonjour. Eh, <laughs> ina ina gode ina gode tunda kin ce Malam Seno ina gaida ka kuma <laughs> ina amsa ina gaida ki. Eh abin da yasa Malam Habi Malama Habiba nake ganin wannan kalma ko kuma in ce yau maganar mu ita ce ta zancan hamada da shesere saboda ajiya wato duniya ta yi bikin ranar yaƙi da hamada da kuma wato fari a kowace ranar goma sha bakwai ga watan junin kowace shekara duniya take wannan take wannan biki na yaƙi da wannan matsala ta muhalli to kenan kalmar ta ta ita ce ta desertification desertification da hausa kamar hamada wato mamayar hamada e, kuma ita wannan hamada matsala ce tunda eh, ƙasa take lalacewa wato tana lalata ƙasa tana zaizaye ƙasa don haka wato ƙasashe musamman na duniya suke mai da hankali musamman ƙasashen afirka suke mai da hankali wajen yaƙi da wannan uh, hamada da kuma da fari saboda an lura da cewa wannan hamada tana janyo kuma 'yan gudun hijira eh, kamar na muhalli e, ke wannan matsala ce kuma ana mutane ya kamata su gane da tsakanin hamada da fari ita hamada wato ta shafi eh, a tsawon lokaci ne ƙasa take lalacewa sannan kuma fari shi kuma ruwa ne in ba a same su ba a dunkule dai kun dai magana da za mu ce kan abin da ya shafi desertification hamada ake cewa sheseres oh, kuma fari. Voilà, merci euh, Ada. Chers auditeurs, euh, merci encore de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages vocaux. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. studio kalangu alhamdulillah Tanawai, muna kai da abin da kai muna samun daɗin shirye-shiryen ta saboda abin da mu san da shi cikin duhu sai ta hiddo mana shi sannan mutanen da a karkara tana taimaka musu a san halin da suka ciki kaga wannan wani taimako na suna shiga birni dugu da ƙauye sannan suna gira ga magabata mayya su san talaka halin da suke ciki kenan shirye-shiryen nasu yana amfani da talaka kuma yana karasar da talaka ga al'amari wanga da an sako na muna musu barka da sallah to wannan aiki da suka yi muna fata Allah sa su kara kokari bisa ga haka muna musu barka da sallah lahiya yana da yan uwa mai su ma ina gaida su Yana da tabo tana nan gidan mize gidan kallo akwai bubakar akwai bebe duk ta da suna nan ya mai ko muna gaishe su ko muna fatan Allah sa su yi sallah lahiya akwai yan uwa nan arziki da waɗanda duk annan duk kullu musulmin da annan Niger da talaka da manya da shugabanni su ma muna musu wata alheri kuma Allah sa su yi sallah lahiya ni na Hamza birnin kwani gaskiya studio kalangu muna jin daɗin saurari ne kowane lokaci saboda shirye-shiryen su muna samun labaru na cikin nijar duk abin da an kai da lokaci ya muna bin su so da ƙafa muna saurare saboda muna jin daɗin labarun su muna samun ƙaruwa mu je da labarun kasan mu nan nijar mu take ciki shi yasa muke sauraren shi sosai gaskiya shirye-shiryen su muna jin daɗin sosai allah ya taimaka allah ya ƙara musu ayyukansu su inganta sosai. Musun Reza na Federation Aminci ta tsarna Tsarnawa. Sallah ta bana sai a ce an gode mu Allah an yi ta cikin lokaci da yake komi yadda Allah ya so haka na haka yi studio kalangu muna sauraron su tunda suna tabo harakoki abin da ya shahe mu kwarai muna sauraron su kwarai suna yi kenan duk abin sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Ali Ousseini Disseno et moi-même Habiba Ahmed. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau duo. La technique était assurée par Amina Hassan et Adama Dawaki, la grande dame, était à l'édition. Excellente journée à vous. Bye bye. Bye bye.